chers, auditeurs et auditrices, bonjour et merci d'être à notre rendez-vous de la mi-journée, le Niger sur Kalangou, que vous écoutez à travers nos radios partenaires. Je suis Salamatou Kadri et à mes côtés, Ali Moukaila Ousseini. Bonjour Seno. Bonjour Salamatou. La forme ce matin Non, en forme Seno. On fait aussi un coucou à la régie. Euh, nous avons à la technique Kader, Chambiano et Adama Dawaki à l'édition. C'est nous pour bien commencer la semaine, chers auditeurs. Restez avec nous. Nous vous offrons un choix multiple de sujets avec particulièrement de la musique locale 100% nigérienne. Au plaisir de tous ceux qui sont à l'écoute, il y aura le loti, la page sport et sans oublier la culture linguistique en anglais. Et oui, ce matin, nous avons invité pour vous, chers auditeurs, monsieur Abdelhayou Hamadou Hamidou. Il est infirmier. Avec lui, nous allons parler de la place qu'occupe l'infirmier dans les structures sanitaires. Chers auditeurs, installez-vous confortablement. Le Niger sur Kalangou, ce maintenant. Voilà, bonjour à tous. Euh, tout de suite, voici le flash présenté par Rafika Ataher. Bonjour Rafika. Bonjour Seno. Bonjour Rafifi. Bonjour Salamatou. Alors, comme vous le savez, les sanctions imposées au Niger sont partiellement levées à l'issue de la réunion extraordinaire de la CDAO. Il s'agit notamment de la réouverture des frontières et l'espace aérien du Niger. Où en étant, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec les réactions des auditeurs. Rouman Moussagani est le nouveau chef de canton élu de Gaïa. L'élection s'est déroulée samedi. Sur les 58 votes, il a obtenu 20 voix, lui assurant ainsi la victoire parmi les 9 candidats en lice. Il devient alors le 24e chef du canton de Gaïa. Le nouveau chef appelle la population à travailler ensemble pour l'émergence du canton. Enfin, l'Alliance des élèves et étudiants des États du Sahel, AEES, est la nouvelle structure estudiantine des trois pays qui la composent. Elle a été mise en place samedi à Ouagadougou, au Burkina Faso, avec comme président élu Efred Mouloul Al-Hassan, le secrétaire général du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. Selon lui, c'est un nouveau combat générationnel et idéologique qui est engagé par les scolaires pour la force et la solidité de et voilà pour le flash de ce matin. Merci pour toutes ces infos, Rafika terre que vous retrouverez à 17h pour les infos en français. A plus, Rafika. À plus. Comme annoncé, chers, chers auditeurs, en début d'émission, notre invité du jour est Monsieur Abdulhayou Mahamoudou Hamidou. Bonjour, Monsieur Abdulhayou. Bonjour. Merci de nous honorer de votre présence. <laughs> vous n'êtes rien, là. Alors, euh, Merci. Merci euh, au studio Kalangu de nous avoir euh, donné l'opportunité de nous exprimer, en tout cas en ce qui concerne euh, la vie de notre profession que nous exerçons ici au Niger. Voilà, merci beaucoup avec vous aussi. Nous allons parler de la place de l'infirmier dans une structure sanitaire. Et oui, euh, avant d'attaquer, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord écouter notre première note musicale de ce matin. Il s'agit du titre Zingi Zingi de la formation Black Daps. نجر بوري البرقع ويبرقع زنق قاع البيري قاع جماعة من سرقة جيبو وسنجي مي ما سنجي سنجي مي هي يو هوندي يا ما سنجي سنجي مي مو يو ما سنجي سنجي مي هي يو عرسو ما سنجي سنجي مي يا نو ما سنجي سنجي مي هي يو هوندي يا ما سنجي سنجي مي مو يو ما سنجي سنجي مي هي thinking, man. God, no Le Black Daps, le mic toba zagato Toi-même tu sais, l'ambiance est assurée. Wondi sambu bene. Jamama sarga jippo, sarga pito, sarga follow sarga jippo, sarga pito, sarga follow Hip hop nirgi jindo, jamama maga follow. Hip hop nirgi dipi, jamama hanga follow. Hip hop nirgi sote, jamama kuwa kuwa hey. Wargi da de meji da, wargi da de meji da. Iriga ngore, hari mo te, hei mo we pore mo gompo zaga donu dibi. Iriga mic zaga rapper dibi. Zamani doni lala, wara lala, gato patora, arwa se mo tamu kaga komba pore mo zara honga sinji moto. Alberi gara zaga gawa to patora. Porque dada me kida kundo wasa, wasa me keto, no lagi reto. Anaje kunya mukama aiki, pore me. me, hey yo, body I'm a sinky sinky man, mo, yo, my sinky sinky man, hey, yo, I was so my sinky sinky man, yeah, no, my sinky sinky man, hey, yo, body I'm a sinky sinky man, mo, yo, my sinky sinky man, hey, yo, I was so my sinky sinky man, yeah, no, hey yo, body I got was saying. Black Dams est l'un des plus anciens groupes de rap au Niger. Il compte dans sa discographie deux albums, Gaskina, notre contribution sortie en 2021 et Tous ensemble sorti en 2007. Le groupe s'est disloqué par la suite et chacun évolue actuellement en solo. ziggy man. Whoa, go. My singing singing man. Hey, yo, I was so my singing singing man. Yeah, no. My singing singing man. Hey, yo, what the ya my singing singing man. Whoa, go. My singing singing man. Hey, yo, I was so my singing singing man. Yeah.

let me moto masinki sinki man wo wanda ya masinki sinki man moto masinki sinki man wo aroso masinki sinki man ya nu masinki sinki man wo wanda ya masinki sinki man moto masinki sinki man wo aroso masinki sinki man ya nu masinki sinki man wo wanda ya masinki masingi singi man. Ya nu masingi singi man. Hey, yo, wonder ya masingi singi man. Whoa. Voilà, chers auditeurs, euh, c'était notre première note musicale avec ce titre euh, What zingy zingy » du groupe Black euh, Daps, tout en espérant que vous avez bien bougé ah, ils ont bien zingy zingy, c'est <laughs> non À présent, c'est l'heure pour nous de nous entretenir avec notre invité, Monsieur Abdulhayou Hamadou Hamidou. Alors, rebonjour. bonjour. Bonjour. Pour commencer, dites-nous quel rôle joue l'infirmier au sein d'une structure sanitaire où il y a tous les gens, sages-femmes, médecins. Ah ouais, il y a aussi les majors. Exactement, les filles, de, salle, laborantins, etc. Alors dites-nous euh, quel rôle l'infirmier joue au sein d'une structure sanitaire. Alors euh, d'abord, il faut noter que l'infirmier, c'est d'abord euh, cette personne Mm. qui a suivi une formation de base mm-hmm. qui fait de lui infirmier, mm. une personne qui est apte et habilitée à exercer la profession infirmière. Mm. Alors, quand on parle de la profession infirmière, il faut noter qu'un infirmier, c'est une personne qui d'abord doit être euh, le plus actif de l'équipe médicale. Ok. Pourquoi Parce que c'est à lui l'infirmier, c'est à l'infirmier le malade s'est confie. Le malade doit se confier à l'infirmier. Pourquoi Puisque c'est cette personne qui dispose des connaissances et des compétences pour prendre le malade sur le plan bio, psycho, et sociale. Attends, pouvez-vous nous expliquer un peu bio, puisque et social Oui, c'est vraiment euh, un peu technique. Quoi. c'est surtout sur le plan biologique. Ok. C'est-à-dire tout ce qui concerne la biologie d'une personne et social tout ce qui concerne l'intégration sociale d'une personne l'infirmier doit jouer un rôle capital en ce qui concerne l'intégration sociale. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un qui vient de, des villes, d'un village le plus reculé du Niger, on te dit, on t'a fait, oh, on te réfère ou on vous évacue mm. sur l'hôpital national. C'est tout un problème psychologique mm. pour la personne, pour la famille et aussi pour euh, le malade. Mm. Et quand tu vas, par exemple, nous, nous avons eu la chance de servir dans des milieux les plus reculés. Quand tu dis à la personne, notre tableau technique ne nous permet pas de vous prendre en charge et qu'on doit vous référer à l'hôpital national, c'est tout un problème. Il y en a qui passent même par la petite porte pour voir major. Est-ce qu'on peut vous donner quelque chose afin que vous preniez en charge le patient ici? Tellement c'est vraiment, tellement ça joue sur leur psychologie. Eh bien, quand nous allons les mettre en confiance, de la même façon que nous nous comportons bien avec vous, c'est de cette même façon, une fois à l'hôpital, vous verrez des camarades ou des collègues qui vont bien s'en occuper de vous. Maintenant, sur le plan et social. C'est ça, je, viens de parler de ça. Mhm. Et alors, euh, c'est un peu ça le rôle de l'infirmier. En mhm. tout cas, là où il y a beaucoup de, mhm. là où il y a beaucoup de professionnels. D'accord. Vous avez parlé des compétences. Quelles sont les, compétences essentielles qu'un infirmier doit posséder pour réussir dans son travail au sein de la structure sanitaire? D'abord, euh, il faut il faut noter qu'il y a ce qu'on appelle le rôle propre de l'infirmier. Hmm. Ce rôle propre de l'infirmier est d'abord, ça consiste à aider l'individu malade ou en santé. Alors, qui parle d'un individu malade ou en santé au maintien et au recouvrement de santé mm. Et encore, aider le patient à, à, à exécuter les tâches qu'il s'en acquitte lui-même s'il en avait la force, la volonté, et si quand même la personne a la force, tout ce que la personne doit faire, normalement, pendant qu'il est indépendant, pendant qu'il est dépendant, il est malade, c'est à l'infirmier de le prendre, de l'aider à, à, exécuter ses tâches. Donc cette personne qui est l'infirmier doit en avoir des compétences sur tous les plans. Tous les plans, c'est-à-dire de la chaîne de prise en charge médicale. Par exemple, si un infirmier, un infirmier doit avoir des compétences sur la médecine générale d'abord, sur les soins infirmiers en tant que tels, sur la prise des voix. Par exemple, aujourd'hui, dans notre population, la première des choses sur lesquelles la population va commencer à te juger, c'est surtout la prise des voix veneuses. Quand tu prends mal les voix, en tout cas, tout de suite, ils vont vous dire, non, ce n'en est piqué. Il m'a piqué trois fois. <laughs> <laughs> Exactement. Il m'a piqué trois fois. Il m'a piqué deux fois. Hmm. Il m'a piqué tant nombre de fois. Vous verrez même des parents qui vont même vous, demander tout simplement de, de lâcher la main de leur enfant. En Donc, attendant le docteur, l'arrivée du docteur. Ah, non, en tout cas, ce sont des choses, ce sont, vous savez, l'infirmier, d'abord c'est au médecin de prescrire et à l'infirmier d'exécuter. Mhm. Ce sont des, l'infirmier ne fait en tout cas, dans un endroit où il y a le médecin, exécuter les, prescriptions médicales. C'est ça on appelle des soins délégués. Mais ça fait, mais n'empêche, le rôle propre de l'infirmier aussi existe. L'infirmier a son rôle propre. Et c'est quoi ce rôle propre Non, maintenant, concernant le rôle propre, comment hein. l'infirmier contribue-t-il à promouvoir la santé et le bien-être des, patients Vous savez, le problème qu'on a ici, c'est surtout ça le problème. Nous n'avons pas, en tout cas, le, la population ne sent pas ce rôle propre-là de l'infirmier dont on parle, puisque tout simplement, il n'y a pas un dossier infirmier dans nos hôpitaux. Le dossier infirmier a été tant plaidé par euh, nos, nos aînés depuis, lors, depuis la création des soins infirmiers, mais en tout cas, c'est un problème auquel le Niger est confronté. Quand on parle du rôle propre de l'infirmier, on fait référence surtout à, aux soins, d'hygiène à un dossier à un dossier infirmier qui consiste à prendre le patient selon les 14 besoins fondamentaux décrits par Virginia Anderson. Hmm. Mais vous pouvez nous citer quelques-uns parce que euh, quelques-uns de, ces rôles qui ont été décrits des, 14 besoins. Exactement. Les 14 besoins fondamentaux décrits par Virginia Anderson chez l'homme hmm. sont d'abord le besoin de respirer. Okay. Chaque être humain hmm. a besoin de respirer. Aujourd'hui, nous sommes là, cette salle, elle est bien aérée. Hmm. Nous, nous sommes là à présenter et à faire passer un message. Hmm. C'est parce qu'on respire. Non, on respire bien. S'il y a un problème de respiration, en tout cas, on devrait être euh, quelque part en train d'être pris en charge. OK. D'accord Il y a d'abord le besoin de respirer. Après, quand on respire, on a besoin de manger et de boire. C'est ça le besoin de boire et manger. Ça fait partie, ça Fait partie du besoin, des, 14 besoins fondamentaux. Après avoir euh, mangé, alors on a besoin aussi de dormir et se reposer. Hmm. Après, on a besoin de se, mouvoir et se maintenir en bonne posture. Ainsi de suite, ils sont au nombre de 14 et en tout cas, quand on arrive à, à télé, à t'expliquer mm-hmm. ses 14 besoins et en réalité, c'est de quoi l'individu a besoin pour satisfaire ses 14 besoins. Vous allez vous rendre compte mm. effectivement que l'infirmier a un rôle important, en tout cas dans la prise en charge d'un patient. D'accord. Voilà, merci beaucoup, chers auditeurs. Avant de continuer nos échanges, nous allons vous laisser souffler en musique avec Wassa du groupe Tarnassa. On écoute rage à rager, le tonnerre se propage, gagne ta pétatage, c'est celui qui nous attaque, et alors là, tu s'enterraras. Boum, ah, boum, ah, explosion, explosion, expression, énorme, l'intouchable, ton ça, c'est ça, ça. Ce nouveau monde du hip-hop est devenu, devenu, dans, dans ma s'intoxique et fidèle, qui n'a pas d'antidote, mais il se le remet, c'est de se taire, tu sais, mais attention attention. Eh, eh. Mes chers auditeurs, le groupe musical Tarnasa veut dire tonnerre en Hausa. Ce groupe est né en 2002 au Niger. Il compte à son actif deux singles, Yamar et Wassa. classé meilleur single de l'année 2003, Wassa permet à Tarnasa de gagner en renommée. Très Malheureusement, ce groupe composé de deux jeunes garçons très talentueux n'a pas pu faire un long feu. Il s'est éteint quelques années après suite au décès de l'un des membres du groupe. No, ando ya voy y ya Voilà, c'était là le titre Wassa du groupe Tarnassa. Retour au studio avec euh, notre invité, Monsieur Abdulhayou. Alors dites-nous, quels sont euh, les principaux défis auxquels les infirmiers sont confrontés en général dans votre environnement Alors, euh, il faut noter que les défis sont énormes. D'accord. Il y a d'abord des défis sur le plan professionnel mm. et surtout sur le plan de la formation. Vous savez, la profession infirmière, ou disons les premières écoles de formation d'infirmiers au Niger, c'était les deux écoles que nous connaissons. D'abord, c'était l'ENI à Niamey et l'ENICAS à Zander. Mm. Eh bien, dans le temps, il y a eu une, une évolution qui, en 1914, où il y a eu la création de l'NSP de Niamey. Hmm. D'accord Après, l'ENICAS des Anders aussi était devenu l'NSP. Dans le temps, ce sont les deux écoles qui forment en réalité les infirmiers du Niger. Hmm. Ah, ça, c'était après les indépendances. Mais bien avant, les infirmiers sont formés à Dakar hmm. et quelque part dans la sous-région. D'accord Maintenant, avec le temps, l'évolution, nous nous sommes confrontés à un certain nombre de situations. C'est avant, vu que c'est les deux écoles publiques, là seulement on en a, tu n'as le droit et il y a un certain nombre de rigueurs dans la sélection mhm. des infirmiers. Maintenant, ce sont ces, ces rigueurs-là qu'il faut en tout cas mettre en place pour dès la sélection de l'infirmier. Il faut, il faut qu'il y ait un certain nombre de rigueur dans la sélection de l'infirmier. Est-ce que cela veut dire qu'avec euh, la multiplication des écoles de santé, euh, comment on appelle ça, les rigueurs dont vous parlez euh, n'existent plus, les, rigueurs de sélection n'existent plus, ou bien qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à cela En réalité, même si ça existe, mm. quelque part, il y a trop de laisser aller. Par mm. exemple, avant, tu peux pas avoir un infirmier qui n'a pas, en tout cas, une taille de 1m50. <laughs> La taille compte aussi Oui, ça compte. Parce que ah, là, euh, l'infirmier est appelé à mm. prendre le malade. Ah. Les soins d'hygiène et de confort. Mm. Un infirmier qui n'est pas physiquement... Euh, parce que quand vous physiquement apte. parce que quand vous prenez la, la définition même des soins infirmiers, c'est l'homme Virginia Anderson, mm. c'est c'est-à-dire euh, ça consiste, et les soins infirmiers consistent à aider l'individu malade et en santé. Et quand vous prenez la définition de la santé, même selon l'OMS, on dit et, ne consiste pas, c'est vers la fin, à, à l'absence de la maladie ou de l'infirmité. Alors, devant une personne infirme, et que toi-même tu es infirme, mm. est-ce que tu peux prendre en charge cette personne Non, pas du tout. En tout cas, c'est à <laughs> cause de ça. C'est compris. Il faut, vraiment un certain nombre de rigueur mm. dans, dans la sélection mm. des infirmiers, puisque la tâche infirmier n'est pas une tâche aisée. C'est pas l'exécution des soins n'est pas en tout cas facile. C'est pourquoi il faut, par exemple, un, un inconscient avant, il y a, cette partie d'enquête de, moralité. de Deux, même la sélection. Maintenant, avant, vous ne pouvez pas, vous, vous, ne pouvez pas être en face d'un infirmier. La rigueur n'est pas prise en compte, euh, n'est-ce pas, ça un, infirmier, <laughs> en tout cas bagarreux. Vous n'allez pas voir un infirmier voleur. Même, ah, même maintenant, bon, il est clair que ça, ça n'existe pas trop, mais ça, mais ça existe quand même. Non, je ne dirais pas ah, oui, parce que là, mm. c'est cas totalement la sanction. Un infirmier, en tout cas, ne doit pas, ne doit pas exercer. Et maintenant, comment l'infirmier collabore-t-il avec les autres professionnels de la santé pour assurer une prise en charge efficace des patients Écoutez, l'infirmier, c'est cette personne-là qui, je vous ai dit, qui doit conduire les soins au niveau des, des formations sanitaires. Eh bien, cette personne, doit être mûri d'un esprit de collaboration. Pourquoi Puisque quand l'infirmier ne collabore pas, je dirais tout simplement qu'il n'y aura pas de soins de qualité. Mhm. Puisque c'est à l'infirmier de prendre la voie. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a été traité, qui, à qui on n'a pas mis une voie veineuse C'est impossible. C'est difficile. C'est difficile. Mhm. Vous avez vu déjà une personne hospitalisée à qui on n'a pas placé des sérums c'est difficile. Vous avez vu déjà une personne euh, malade à qui on ne fait pas les soins d'hygiène et de confort. Là, la personne, c'est sur des, des, caoutchoucs, c'est sur des matelas en caoutchouc. La personne va développer ce qu'on appelle les escars et ce serait vraiment pas. Donc, la collaboration de l'infirmier, elle est énorme en tout cas avec les autres membres de l'équipe. Et même ça fait partie du serment de l'infirmier. Mm. J'aiderai tout, j'aiderai avec euh, toutes mes, comment on appelle, toutes mes, mes, mes forces, mes capacités, mes capacités avec le, les autres membres de l'équipe soignante. Ça fait partie du serment de Florence Nightingale que les infirmiers presque à la fin de leur formation. Mm. Voilà, merci beaucoup Ablayou Hamadou Hamidou d'avoir répondu présent à notre invitation et excellente journée à vous. On revient après une courte pause. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Il est 11h passé de 28 minutes, chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire. Et eh oui, elle porte euh, sur l'action en réparation en droit. De quoi s'agit-il vraiment pour en savoir plus, euh, notre reporter Tarnan Ahmed Foudé s'est entretenu avec euh, Maître Abdourazak Mahazou, doctorant à l'université de Ouagadougou. On écoute. Maître, qu'est-ce que c'est qu'une action en revendication de la propriété L'action en revendication est l'action qu'exerce le propriétaire contre celui qui a la possession de son bien et qui refuse de le restituer. Elle a donc pour but la reconnaissance du droit de propriété et la restitution de la possession du bien. Que doit faire le propriétaire pour que son action en revendication aboutisse Pour que l'action en revendication aboutisse, le propriétaire doit apporter la preuve de son droit de propriété. En application euh, du droit commun de la preuve, la charge de la preuve est libre elle peut donc se faire euh, par des présomptions ou euh, des indices qui rendent le droit de propriété euh, vraisemblable. Quels sont les effets attachés à l'action en revendication de la propriété le premier effet de l'action en revendication est la restitution en nature. si l'action en revendication aboutit, le droit de propriété du revendiquant est reconnu et le possesseur évincé doit restituer le bien en nature. Mais euh, d'autres effets sont également attachés à l'action en revendication et ces effets dépendent souvent de la bonne ou mauvaise foi du possesseur évincé. Donc, euh, si le possesseur évincé est de bonne foi, il n'est pas tenu de restituer les fruits perçus. Inversement, euh, si le possesseur évincé est de mauvaise foi, il est tenu de restituer les fruits perçus. Il faut également euh, euh, souligner que euh, si le possesseur évincé est de mauvaise foi, il doit verser au propriétaire une indemnité de jouissance. Aussi, en cas de dégradation, le possesseur évincé doit verser une indemnité correspondant aux dégradations. Notre dernière question, maître, nous voulons savoir est-ce que l'action en revendication est-elle prescriptible L'action en revendication est imprescriptible, tout comme le droit de propriété lui-même. En effet, le droit de propriété ne se perd pas par le non-usage. Dans deux arrêts du 1er juillet et du 9 septembre 2014, la Cour de cassation a affirmé que la propriété ne se perd pas par le non-usage et l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive. ainsi, puisque le droit de propriété est imprescriptible, il faut a fortiori euh, considérer que l'action en revendication l'est aussi. Voilà, merci. C'était là la rubrique hebdomadaire justice proposée par Tarnan Foudé Ahmed. Marquons une petite pause musicale avec euh, ce titre Nigo Gadeon du groupe de rap Berekway.

Ne reste pas immobile sinon on te qualifie de profane Y'a mes dans le bois on explose Y'a mes sur la scène on explose Y'a mes sur la chaîne on explose Adulé par toute la jeunesse nous voilà plébiscité Adulé par la populace le public se focalise Pour tous les civilisés on revient carbonisé On revient galvanisé Comme qu'elle pour électriser toutes les ruelles de ma cité Même vers c'est cacophonie, la veuve est superphonie Elle est comme un occupant Je sors pour mon lado Les filles c'est super beau L'inverse c'est comme du Hey! ouais, Nigoga sur l'émission Le sur Kalangu. Le groupe Derekwe est arrivé dans le mouvement hip-hop nigérien par la danse dans le courant de l'année 99. Et oui, à tout le groupe. Le nom Berekwe est en zarma. Il signifie détenteur de savoir. Et même toutes les deux qui sont de chaud oh, oh, Un oh, petit oh. coup man manie les mots sur ce beat show Dans tous les ghettos j'observe le show c'est mon credo Si t'as le film t'es dans le style t'es VIP Si t'es VIP je te l'assure t'es bienvenu Man man méloman Man man méloman chantez plus fort et sautille Montre-moi ta joie dis-moi que c'est ton idéal La belle c'est mon affaire je l'ai pas dans les cités Dis-toi que la vie est belle, il faut en profiter. Dis-toi que la vie est belle, il faut en profiter. Si t'es d'accord, je veux t'entendre Si t'es d'accord, je veux t'entendre gifler. si t'as le feeling, le mec pour la go. Si tu te donnes à fond sur ce son qui répond. Si t'as le son qui fait les numbers uno. Si t'as le récord, je vais donner ta visite. Si t'as le feeling, le mec pour la go. Si tu te donnes à fond sur ce son qui répond. Ni con que te, yo le Chers auditeurs, c'était Béraï direction pour l'écho des régions. On reste à Niamey. En cette période, ils sont nombreux les jeunes volontaires qui s'organisent pour déblayer les rues sablonneuses de Niamey. Ouais, mais ils espèrent aussi euh, quelques sous en retour. Euh, tu sais comment on les appelle Ah, mais bien sûr, on les appelle Yubi Yubi. <laughs> Exactement. Dans le jargon local, euh, on les appelle Yubi Yubi. Fanta Chamsou s'est entretenu avec eux. Voici son portrait. Des coups de pelle dans du sable sec, puis des cris à chaque fois que passe un véhicule ou une moto. C'est comme cela que ces jeunes gagnent leur pain à la sueur de leur front, littéralement. Dans cette rue du quartier Kwarakano, ils sont une dizaine de jeunes bien bâtis à dégager le sable qui dérange les usagers de la route. En déblayant ces routes, ils espèrent avoir un peu de sous, signe de gratitude des usagers. Mohamed Nabiou fait partie de ces jeunes il a quitté son village, pas très loin de Niamey, depuis la fin des récoltes pour faire ce travail. Lorsque nous étions installés ici, il y avait tout le temps des voitures et des motos qui s'enfoncent dans le sable. Et comme nous n'avons pas de boulot fixe, nous nous sommes dit que nous devions tenter notre chance, voir ce que ça va donner. Nous avons acheté des pelles pour dégager le sable et certains usagers font des petits gestes pour nous. Boubacar est taximan. En passant, il a fait un petit geste à ses volontaires et dit apprécier beaucoup leur travail. Vraiment, ils sont d'une grande aide pour nous. Nous souffrons à cause de ces routes pleines de sable. Je suis même prêt à les appuyer si des bonnes volontés se présentent, parce qu'ils sont vraiment très utiles. Cependant, Mohamed Nabi dit aussi que les avis divergent quant à l'appréciation de leur travail. Oui, il y en a qui n'apprécient pas trop notre travail. Certains nous insultent et d'autres nous disent même d'aller chercher un autre travail parce que ça, ce n'est pas un travail. Mais nous, on s'en fiche pas mal, car nous arrivons à nous en sortir malgré tout. Quand tout marche bien, ces jeunes peuvent terminer leur journée avec 2500 francs en poche chacun. Voilà, cher auditeur, reportage signé Fanta Shamsou. Place à présent à la passeport avec notre chroniqueur Gourouza Hassoumi qui est dans la place. Bonjour Gourouza. Euh, bonjour Seno, bonjour Salamoto. Alors euh, Gourouza, la phase allée hein, de la Super League a pris fin avec la 17e journée. Euh, joue sur les différents stades de Niamey et de l'intérieur du pays, n'est-ce pas Oui, l'AS Garde Nationale a disposé de la renaissance de qui sur le score de 2 buts à 0. À FC, Jean Gorzo de Maradi partage les points à Arlit, un but partout. À Maradi, la JST de Tawa a surpris l'Urana FC sur le score d'un but à 0. Tagour provincial de Dosso s'est incliné devant la gendarmerie sur le score d'un but à zéro sur ses propres installations. Le duel Nigélec-Sahel joué le vendredi s'est soldé par le score d'un match nul et vierge de zéro but partout. La 17e journée de cette compétition s'est achevée samedi 24 février 2024 au stade général Sénékounché de Niamey. C'était avec la rencontre Aïs Douane score final deux buts à zéro en faveur des douaniers. Gourouza, après la phase allée de cette Super lutte du Niger, quel est le classement général à l'issue des différentes rencontres Oui, c'est l'AS Fan qui prend la première place avec 41 euh, points. L'AS Nigelec deuxième avec 32 points. AS Garde Nationale troisième avec 31 euh, points. En bas du classement, nous avons 16e à Koukana Darlit euh, avec 14 points. Espoir de Sender 17e avec 13 points. Alors, Gourouza, l'association euh, régionale de football de Dosso a un nouveau président. Oui, c'est nous. Abdul, c'est son nom. Abdou Boubacar Sido a été reconduit à la présidence de l'association samedi dernier à Dosso. C'était lors d'une assemblée générale élective. Ce sont les huit clubs de la région euh, qui ont réitéré leur confiance à Sido pour la destinée de l'association pour un mandat de quatre ans pour son nouveau mandat, Boubacar Abdou Dissidou a demandé aux autres membres du bureau de travailler pour le développement du football dans la région de Dosso. Voilà le sport Merci beaucoup, Grouza. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Il est 11h passé de 40 minutes et c'est l'heure du portrait du jour. C'est nous, tu nous présentes qui ce matin Eh oui, Sali, le portrait d'aujourd'hui nous fera découvrir une jeune islameuse du nom de Nouratou Oumarou Hega. Son nom euh, de scène est Noura Debo. Voici son portrait avec Rafia Abdoulaye Moussi. Combien de fois allons-nous pleurer nos morts Combien de fois allons-nous chanter nos remords Nos écrits nous ont servi de leçons, Des conseils, on en a avalé. Chacun se déclare bon, disons même avec des coups bas signalés. Connue sous le nom de Nourat Debo Slam, Debo qui veut dire femme en langue fulfuldi, Nourat a commencé le en 2015 en écrivant et en faisant des scènes au CCFN avec son collectif. En 2019, elle quitte le collectif pour embrasser une carrière solo. Nourat Umaru Hega explique ce qui l'a motivée à être une artiste islamaise. J'aime parler, euh, j'aime euh, m'exprimer, j'aime euh, être sous les projecteurs. <laughs> Et la vie artistique, moi, faut tout ce que j'aime. Et aujourd'hui, à travers le, slam, je lance des messages, j'arrive à m'exprimer autrement. J'arrive à me faire écouter, à, impacter, à toucher plus de monde que j'aurais Son collègue réalisateur Zed Picaron n'est pas d'éloge à son égard. Nous, c'est un talent à l'état pur. C'est une vision du slam. C'est même la raison pour laquelle moi j'aime travailler avec son équipe parce que j'aime vraiment leur vision de la chose. C'est un talent qui ne cesse de travailler. Vous savez, il n'y a pas un joueur de football qui est bien sur le terrain, qui ne s'entraîne pas chaque jour. Et eux, c'est ça que j'aime en eux. On a fait notre premier clip, c'était 2021, ma lettre. Ouais, on travaille et à chaque année, on remporte toujours des prix, des nominations que ce soit sur le plan local, que ce soit à l'international. Chaque clip que nous faisons presque nous donne toujours presque des nominations. À travers l'islam, nous relance lance des messages pour la société et surtout le comportement à adopter. Et nos morts ne sont pas morts. C'est un texte qui te dit, mais pourquoi ne pas aimer l'autre Pourquoi tu l'aimes pas alors qu'à son décès, tu viens pleurer sous les bâches, sur les comme ça Qui parle un peu d'hypocrisie. Euh, un de ses fans, Hanafi Issa, explique la raison pour laquelle il aime écouter l'islam de Nourat. Ses écrits me parlent, je me retrouve dans les sujets qu'elle évoque. Alors j'écoute le plus souvent son texte sur le gourmet parce que c'est une histoire. Comme dans chaque profession, les difficultés ne manquent pas. La jeune islamaise explique les difficultés qu'elle a rencontrées dans sa carrière. Étant femme et artiste, c'est déjà un grand défi parce que les gens voient plus en toi celle-là qui devrait rester à la maison, préparer, avoir des diplômes, chercher un boulot, que celle qui devrait être sur les projecteurs en train de dire oh, ce que les gens disent bas. Parce que même avec la famille, c'était un peu difficile. J'essaie d'être un exemple parce que c'est ça aussi pour les générations futures. Et après, il y avait des défis financiers parce que au Niger, euh, l'artistique ne nourrit pas son homme dans un premier temps, mais quand c'est bien travaillé, ça va nourrir son homme. Nourat Oumarou Yega fait partie des filles qui ont su prendre un chemin dans un milieu fortement dominé par des hommes. Combien de fois allons-nous pleurer noir Combien de fois allons-nous chanter noir Ne sommes-nous tous pas faux au fond de ma plume, mon amertume se déverse sur une feuille innocente. Mais dire euh, dérange une classe constante d'être menaçant. Flèche mortuaire en direction des âmes sanguinaires. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voilà, chers auditeurs, euh, bouclons euh, ensemble notre sélection musicale et cette fois-ci avec le titre Niveau du groupe MTS Matassa. breakaway. Tu peux insulter et tu Tu peux insulter et tu n'as On a on va faire du rap Le aura le mic, le c'est ça mon vie T'as pas, ta mon gars, c'est tu pas Écoute fais mon flow pour être au même niveau Tu peux qu'il y ait pas de sonzeno jamaa wakira magano be wakira magano ikul mate abo ipap makwele jina wante wante we up in the MTS matasa to represent the nigga to represent the nigga to represent the nigga in our domain hip hop we say nobody can stop us you know yeah,

hibino dirisi birimo sumbulbo wacu wacu kuri nigonika ci irigonika manise ninenuwanika sino diri marika noniteniko abatobon harika katogota ba agor atalesome kakapne bamasilimo ngaka baladinika wana dirisi wana makoita ceci kanga wana abduga turika tabinise maduga kanka wana samakap kalaka fekai kasi bai sibai no irikanika bai na ci basubir na ci hip hop my jibala Wariyano doni wani zagane iwani kasino Walai amante farmaci adilo Kiyar matasar wani da murya boy Eyi ta fani mongo como di MPS na fada ni boy Eyi shobrega wuhu tamil bandada Sino na mega wuhu Eyi shobrega wuhu MTM matasar wani da murya boy Eyi shobrega wuhu Shobrega wuhu

Chers auditeurs, c'était le titre Niveau du groupe MTS Matassa. C'est nous, le loti du jour nous parle de qui Et oui, c'est tout la chronique euh, loti porte euh, aujourd'hui sur le baptême. À cause de certaines idées reçues, il y en a qui évite de prononcer le nom du bébé avant euh, le baptême qui est généralement célébré au septième jour qui suit la naissance. Écoutons à, propos cette discussion entre Rakia Arimi et Zainabou Abdou. Assalamu alaikum, il y a quelqu'un ici Wa alaikum assalam, ma chérie rentre. Oui, oui, oui, il fait vraiment chaud aujourd'hui. Comment tu vas ma copine hmm. Tu ne sais même pas. Je vais bien, Dieu merci. Dis-moi, d'où viens-tu sous ces chauds soleils Je viens de chez mon amie Léla. Elle a accouché hier, donc je suis allée la féliciter. Ah, quelle bonne nouvelle Mais toi aussi. Ce n'est pas une raison pour circuler sous ces chauds soleils. Là, tu as parfaitement raison. Mais bon, c'est la seule journée que j'ai de libre, donc j'en ai profité. Ah, je vois maintenant. Sinon, tu as quelle nouvelle pour moi Ma belle, je n'ai aucune nouvelle. Mais tu sais quoi hmm, Dis-moi, ma chérie. Moi, je ne comprends plus la nouvelle génération. C'est-à-dire, explique-toi, afin que je puisse comprendre. Tu vois, avant, quand nous étions enfants, c'est seulement le jour du baptême que l'on commence à appeler le bébé par son nom et le baptême se faisait juste sept jours après l'accouchement. Alors que de nos jours, c'est dès la naissance qu'on commence à appeler l'enfant par son nom et on assiste au fait que les gens repoussent les baptêmes. Ah, et tu trouves cela bizarre Bien sûr. À mon avis, les gens devraient suivre nos traditions, nos coutumes et notre religion. Ah, là tu te trompes. Tu confonds religion et coutume. Je n'ai pas compris. Ce n'est pas la religion qui interdit de dire le nom de l'enfant jusqu'au jour du baptême et de respecter la date du baptême. Non, justement. C'est pourquoi je t'ai dit que vous avez tendance à confondre religion, coutume et tradition. Tu sais, rien qu'avant-hier, j'ai eu cette discussion avec un Ah bon Explique-moi alors. Dans la religion islamique, on peut appeler un enfant par son nom dès la naissance. Et on peut aussi reporter la date du baptême. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire le baptême le septième jour après la naissance. Et il n'existe aucun verset ou hadith qui interdit de repousser la date du baptême. Parfois, il peut avoir qu'une personne manque de moyens pour acheter le mouton et tu sais qu'il est dit dans le Coran que Dieu n'impose à aucune âme une charge qu'elle ne peut supporter. Donc, on peut repousser le baptême jusqu'à ce qu'il trouve l'argent du mouton du sacrifice. Ah, je comprends mieux. Donc depuis tout ce temps, nous faisions une énorme confusion. Voilà. Tu sais, avant l'avènement de l'islam, nous avions des coutumes et des traditions. Et depuis lors, il nous arrive de faire l'amalgame, d'où l'importance de chercher à comprendre et faire la différence. Tu vois, si j'étais resté à la maison aujourd'hui, je n'aurais pas appris tout cela. D'où l'importance de circuler en ville. <laughs> je te remercie vraiment de m'avoir édifié sur ce sujet. Je t'en prie, ma belle. C'est la moindre des choses que je puisse faire pour toi. Bon, il se fait tard. Je vais demander la route. D'accord, ma chérie. Je t'accompagne alors. c'était le loti du jour. Pour la culture linguistique, Jacqueline Dalton nous explique ce que signifie ONG. Et ça tombe bien, demain, c'est nos nous, le 27 février, c'est la journée mondiale des ONG. On écoute. Bonjour et bienvenue. Le mot anglais d'aujourd'hui sera une traduction du mot ONG. Mais avant de faire tout cela, Commençons par discuter de ce que signifie ONG en français même, parce que c'est un mot que nous entendons souvent, mais tout le monde ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Donc ONG, en fait, c'est un acronyme, c'est-à-dire c'est la version abrégée ou raccourcie d'un nom. Le O signifie organisation et le N et le G signifient non gouvernemental. Organisation non gouvernementale ONG. Qu'est-ce que c'est un ONG C'est une association ou groupement de la société civile ou d'intérêt public. Et en anglais, in English, c'est NGO, Non-Governmental Organization. NGO, Non-Governmental Organization. Et au Niger, il y en a plein des ONG. In Niger, there are many NGOs. Donc il y a des ONG internationales, International NGOs, comme MSF, acronyme pour Médecins sans frontières, ou IRC, acronyme pour International Rescue Committee. Et bien sûr, en plus des International NGOs, il y a des ONG locales, Local NGOs. Local NGOs, c'est-à-dire des ONG qui sont des structures nigériennes qui travaillent au Niger plutôt que des ONG à l'international. International Non-Governmental Organizations, INGOs, and Local Non-Governmental Organizations, Local NGOs. Et le but de ces organisations, ce n'est pas de se faire de l'argent, mais en général, c'est d'être vraiment de utilité publique. Beaucoup de ces ONG, par exemple, travaillent dans l'action humanitaire, humanitarian action. Ils répondent aux catastrophes naturelles, aux guerres, aux épidémies, etc. il y en a aussi qui travaillent à plus long terme dans le développement. Development. Par exemple, l'éducation, santé, droits de l'homme, etc. Voilà. Local NGOs et international NGOs for humanitarian action and development. NGO, that was today's English word. Thank you, Jackie. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en hausa, en germain, en fulde et tamashek, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message au numéro 82 89 89 64. Et justement, Sally, nous allons écouter les messages de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. aino tijani adamu kan sigina le garan kan wacce ta mai yaci e ya eh, dillo lalle irgo na ga radio kalangu irgo ga hangan wata kul lokaci ka lokaci wa kukin feri ga hangan ka ga im feri kalim da birgo hangan ikan disse bon fere bon batan kan irgo ga hangani se gumo irgo ga hangani bon fere se gumo wani wani futta je do har kambo da hannun ne do har kambo da zan kai fallasiyamo kambo mendame irgonagatu irgonagi hangan disigireka igonagate ago kanise gumo irfondagoyde sabi irgoga tonandido imiyeka tonton isse sigire dimbo dafa hamandi yangay ka igo bore famandi da da yamar yangay imiya mirga bayma tonton isse ibo irgonaga hangarmo irgona ni radio tota bore irgonaga hangan isse wat kulu assalamu alaikum malan dan da club da kul zaman lahiya Amadu Kulturam, Jan Difa Gulumariya Zido Kalungu ciretin da take yi wannan gaskiya cire-ciren nashi akwai mahimmanci kuma ya bude mana kai kowanne labari cikin Nijar ko kasa ta waje labari duka dai a wajen ci muna taurarawa da fari rediyon Niger babba za mu taurara amma yanzu kuwa rediyo Zido Kalungu ya sa kowa da kowa ya mai da hankalin ci bisa FM komi kana ji cikin shi fannin likita fannin vaccinatin na dabbobi mhm. zaman lahiya muna da group na video kalangu har yanzu muna cikin shi muna nan muna saurara shi a cikin group kin akwai mutanen difa akwai mutanen boso akwai mutanen gaskero akwai mutanen maine ya hada mana kai ya hada mana hankali akwai lahiya babu lahiya kwanciyar hankali komai muna ji tsakanin mu mu saurara rediyo wannan mu abin da ya sa muna saurara video kalangu wannan shi ya bude mana kai komai da komai a cikin labarin shi babu kariya gaskiya ce kawai zai faɗi in ka ji video kalangu yana magana abin gaskiya ce kuma an yi shi ne kuma. kango chota lalle isli do kalangu si de kaga jo chota goga dan ya go gin hangan i hanna don afuwa dai iga fa kara isse zan kai ga hamba no mo iga fa kara isse zan ka wai boye zai lokol ban zan ka wai boye zai lokol fu ya hin fani kan gara a jenga fu ya masal kan gara wodi yan kulu irgi hangan to han hoye gin mo labari hankan goga te labo gunda kunawa e ga du a labari si do kalangu gire kam radio kyoto boy go dai ai gin sai dai bo kulkan ninga lakkal ye ginga gabi danga hangan ai wa kai milla da bo agogi hanga matakan ki ne goga hangan bo ga fata ai no barhamu kango chota rema iwo studio kalangu hangan kono e irgo ma kani mo surtout sensibilisation ki wo kande irwana furta jelo hare kota kan isi gidin yan furta jega irgo gamma ikani no hare e surtout hanane yango bon hare e irga sabu kom nan mo imtuntuni ngewon won sensibilisation ki wo gete furta jelo hare zamla ko jina da man furta jeno rema no hare irgo ga studio kalangu irgo ga sabu gumo Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Ali Munkaila Oseini et moi-même Salamotou Kadiri. Le rendez-vous est pris pour demain. Et oui, à la technique, c'était tout simplement Abdulkader Kader Chambiano et à l'édition, la grande dame Adama Dawaki. Excellente journée à vous. bye. bye.